Euh, le temps est passé très vite. Mhm. Il reste 10 minutes à peine. Euh, il y a un nouveau dossier de son. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Canard enchaîné, un journal en France qui fait un article. Bidon. Parce que je sais que ni professionnel du journalisme, c'est sur des suppositions Moi, comme carogrec ça m'a ay boy un ancien un fils d'un président de la république de la sous-région est impliqué Je information mhm. c'est trop facile faut le dire ou tu ne sais pas ou tu sais euh, après canal enchaîné un parlementaire Cheikh Diop euh, à la tribune de l'Assemblée nationale lors d'un vote de budget Vous connaissez, personne ne fait attention à ce qu'il dit mu toog si c'est un militant connu de Ça, Ça, saa moom tout fait euh, def chronique pour dire aux confrères et à la société civile que pourquoi vous n'avez pas réagi à telle information Mais profite de la tribune pour tout depuis une semaine depuis depuis lundi passé on parle d'un scandale de 71 millions portant sur un 71 milliards portant sur un marché de gré à gré au ministère de la Santé. Et je ne me souviens pas avoir entendu ma jabal 71 millions d'euros. waaw. 71 milliards milliards. Ouais, rappelle milliards. pas Madiambal Diagne ou son journal wax si. ma bëgg xam pourquoi au Sénégal ma Diagne moom mooy moom mooy moom mooy diriger le tempo c'est-à-dire mooy wax parler de sa et ne parler pas de ça. xam defoon na fi si Assom jaata ne waaw Assom Diatta yow ñeme woo wax. tu ne dis rien sur la carmasse, mais à Touba n'y a pas d'école Il mm-hmm. n'y a pas de parité mm-hmm. pourquoi tu n'interpelles pas ton ami de président de la République euh, Macky Sall pour qu'il en parle Tu sais, que c'est que ku -hmm. nangul ni da mais munoo yeewu suba teel yow li nga bëgg ñu koy waxtaanee ñu wax ñu koy waxtaanee dama Madiambal Diagne je me souviens pas lu mu defal Sénégal lu keneen defalul Sénégal. Hmm. il n'est élu nulle part. amul lu mu liggéeyal Sénégal lu nit liggéeyul Sénégal li si gën a andi problème li gën a dossier bi mooy Cheikh Yérim après se lève xam ñoom ñoo kiif kiif bëri ko hmm. moom tamit mu ñëw indi affaire bon l'affaire ne semble pas s'emballer il faut actionner parce que on l'a dit dans le quotidien de la place que l'assemblée est en train de réfléchir si on allait créer un une commission d'enquête parlementaire commission d'enquête parlementaire sur 12 milliards alors que l'urgence c'est les 11 milliards de la santé et les milliards de la de de Covid 19 Il y assemblée bi yabee wuñ non non, mhm. mais benen encore qui tax ma a réfléchir ni légui nak ça devenu devenu une affaire d'État. demb c'est Latif Koulibaly, secrétaire général du gouvernement qui s'invite mhm. à la RFM pour tout simplement cette question là. Mhm. Euh, Abdou Lahad Khat lolu noko